ne ayane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 Khalifa El Hadji Bouna Niang ONG Mandimbo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 juróom ci weeru décembre 2019 ci Koumpentoum ga ca Tambacounda. Oh. Thank you. C'est dans le cadre euh, de la cinquième euh, édition du Festival de Niani. Et comme on a l'occasion de le faire, euh, de de, des journées de consultation gratuites pour le cheptel. Bon, on est à la troisième édition. cette journée de consultation s'inscrit dans le cadre de renforcer un peu la, santé, la santé animale. parce qu'on a jugé qu'au niveau de Coupentum, il y a plusieurs pathologies se présente Du fait de beaucoup de choses, on a les transhumants qui sont pratiquement là pendant 9 mois, ils viennent avec leur pathologie. Et les secteur existants aussi, qui est très important au niveau du département. Donc pour, aider un peu à améliorer la santé animale, c'est dans ce cadre qu'on organise en collaboration avec le conseil départemental, euh, Global Vet, euh, Prestavet, des jeunes de constatation gratuite. Bon, mais cette année, on a mis une touche un peu particulière on a voulu montrer un peu le potentiel ovine au niveau de, la, commune, de la Donc, euh, parallèlement à, ces journées, on a exposé euh, le potentiel ovine de du, département de Copentum. Bon, le ministère nous a tout, le temps soutenus. Hein. Il nous a tout le temps soutenu à travers le PRAPS, à travers le ministère. Bon, quand on le ministère, c'est nous. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait sur la bannière du ministère de l'élevage. Donc le ministère est au début à la fin du, processus. Bon, chaque année, on, y va crescendo. Euh, l'année passée, on était à peu près vers 1000 euh, à 1500 sujets diagnostiqués et traités. Mais cette, année, on veut dépasser ce cap vers 2000-2500. Je suis département, département kini ni ndox la ndoxu formas boo defaree formas ba pare ndox bi si jógee ndox la bu baax bi nga xam ne dafa am ferñente a ah, bi nga xam ne boo xale bu xiiboon baax na ci moom baax na ci góor itam day yokk kàttan affaire kii bu baax la produit bu baax la amul ben ah, kii benn produit chimique ah, local la fii lañ ko liggéeyee meewu nag bi yépp ci lañ ko jëlee am nañ fi itam kii boor bi nga xam mu ngi ni li la lii mais soow bi ci meew mi lay wayal ba pare dindi ci bóor lii bóor la bu dee ci kii wolof lañ ko dax la léegi bi li ngay jël nga defar ko nga toggaat ko diw ñor bii dax la lépp ci nag la jóge am nañ fii tam mu ngi nii lii tamit fromage la bateel yi tamit ci meewu nag bi lañ ko jëlee ci nag bi moom la ñuy defar meewu nag bi wayal ko defar ko fromage nga xam ne kii euh, boo ko defaree tamit amul benn produit chimique dañ koy lekk produit euh, local la dara defuñ ci li nga xam ne dana sonnal nit te lu baax la déedéet nag yee xar yi du ndawal kese sur fromage boo koy def sax meewu béy moo gën a neex fromage booy def fromage meewu béy moo ci gën a neex boo ko defee incha allah da nga ci guju bu baax la joxte amul benn luy lore amul luy gaañe produit local la moo baax si ñun kon nag ba njëla ñoo dem di jéggaani leneen na ñu jënd li nga xam ne ñun ñoo ko moom ñoo ko juddule moom suñuy nag moom suñuy xar moom suñuy béy ratt ko defar ko am ci soow am ci meew am ci boor am ci fromage am ci diw yëpp ngi ci biir ñun dañoo def formation parce que wax dëgg yàlla nguur gi bàyyiwuñu benn benn yoon nguur gi mu ñuy jàppale ministère élevage ñu ñuy jàppale ci nguur gi euh, formation bu nekk defal nañu ko fu mu nekk nii lii léegi euh, am yàgg man yàgg naa ko def depuis 2002 laa commencé formation waaye ren tam amaan nañ beneen formation fii bi ñu amee suñu mini neteeri bi nga xam ne war nañ cee liggéey parce que boo amee minoritaire yi te man kenn ma am formation ñu ci des amuñu formation du mën a dox après ci lañ ñu amee ñu jàppale ñu ba ñu mën a am minoritaire yi di sant nguur gi di sant tam euh, suñu président bi nga xam ne moom la fi yàlla teg mooy Alaji Amadou Diallo parce que moo ñu jiite Galle Aynaabe di sant itam Sall mi nga xam ne moo jiite fii euh, kii euh, inspecteur élevage si département bi ñoom ñoom ñoo ci jàpp ba yàlla dimbale ñu fekk na fii dangay ratt nawet bi meew nga tuur ko doo am soo amoo foo ko denc parce que bu ñu la formé wul mënoo koo soppali mënoo koo denc day yàqu rek ci loolu nag lañ ñu amee ay formation ñu am minineterie nag léegi ñu ne comme am nañ minineterie nañu yaatal formation bi département bi yem ñu woo fi képp dix commune moo nekk département Koupantoum commune bu ne ñu am fa ñetti nit ñu ñëw ñu dajale ñu fii ñu jëlee Famara Sarr mi nga xam ne moo yore mais les Sénégal yëpp moo ko yore mu ñëw defal ñu fi formation ñu am nag benn partenaire bu baax bu tudd defal formation bi yëpp moo ñu fayal fere bi yëpp moom moo ñu defal ñu ngi lekk yeeg yëpp moo ñu ko defal mu ànd itam ak inspecteur Ndiaye mi nga xam ne mooy actionnaire inspecteur élevage bi moom ñi nga xam ne bi mu fi ñëwee la ko Ndiaye euh, sàll jël ne ko affecté naa la jigéen ñi jàppaleel ma waa Dirfel moom tam ñu jàpp ci ba yàlla def mu sotti léegi ñu ngi liggéey ci suñu mutineterie bu baax a baax ñu ngi defar soow di defar yaawur di defar euh, dax di am suñuy produit lu nekk ñu ngi ko fiy def ay cere njóor ndi lu ne la ñuy def di ko di ko jaay fii di ci foraatu di ci am suñu wërsë di ci santaat tam suñu présidente national mooy Adja Dieynaba Sidibé bi nga xam ne bàyyiwul kenn jigéen bu nekk bëgg na laa jàppale ba nga jëm kanam di sant nag jigéenu département Koupantoum ngàcce ngalaama jigéenu département Koupantoum ñu baax la ñu nangoo liggéey tey ñu ngi liggéey fii waaye fayaguñu dara séddooguñu dara itam lu ñu liggéey kees lañ ko def bugg ba yëf yi jëgg te ñu ngi ci taxaw bu baax di liggéey kenn waxul fay ma dërëm kenn waxul du ma xay te dërëm ñëwul ñu ngi maa ngi leen di sant ci département bi yëpp di leen gërëm am na itam mais kii kii bi tam mu ngi nii lii diw ñor la bii nii diw ñor la bii mu nga xam ne boo toggee ba dex boo defee dex ba pare moom ngay togg nga am diw ñor kii tey su fekkee ne lekk nga ko amul diw bi nga xam ne dalay gaañ amul dara moo gën ne am na wér-gu-yaram ci biir am na wér yaram ci yaram lépp yu baax la ah, suñu produit yi amul benn problème bi nga xam Euh, je m'appelle Amadou Diallo. Je suis le président de la maison des éleveurs de la région de Tamba et du département de Kumpento. J'ai dit que c'est une journée très historique que le conseil départemental a organisée, surtout avec le festival, pour organiser une journée de consultation gratuite offerte pour les éleveurs. Donc euh, je me réjouis vraiment euh, aujourd'hui de voir tout ce monde qui sont pu venir et tous ces animaux qui sont là avec euh, les vétérinaires à sa tête l'inspecteur départemental et également tous les privés qui ont pu se déplacer et les auxiliaires pour faire vraiment euh, des traitements, gratuits à ces animaux-là qui en ont vraiment tant besoin. Le grand défi de l'élevage dans le département, euh, je pense que tout d'abord, c'est le faux de brousse. Les faux de brousse sont c'est un défi majeur qui nous prie très sincèrement, avec également euh, l'étranglement qui nous vient du nord, euh, qui viennent vraiment en masse. Je dis bien pour cette année, ils ont venu vraiment en masse. Mais Dieu fait bien les choses que l'administration, euh, les collectivités locales, les chefs de village, les organisations d'éleveurs les, euh, ont pu pouvoir organiser des rencontres qui permettent euh, vraiment de rester ensemble sans pour autant qu'il n'y ait pas beaucoup de difficultés. de ne pas y avoir de difficultés, mais pour que les difficultés quand même soient gérées par nous-mêmes pour que vraiment que ces difficultés-là ne nous dépassent pas. Euh, à l'État, d'abord, je remercie l'État, à, travers lui, le ministre de l'Élevage, l'inspecteur régional euh, de Tambacounda, l'inspecteur départemental de Kumpendum et tous les vétérinaires et également mes compatriotes éleveurs et mes compatriotes présidents des organisations d'éleveurs. Le message que je lance, c'est que l'État doit apporter un plus sur l'organisation de la transhumance. La transhumance là doit être organisée. Il ne faut pas qu'on laisse les éleveurs transhumer n'importe comment et n'importe où. Il faut qu'on organise la transhumance. Quand la transhumance est organisée, je pense que là, maintenant, tout le monde est à l'aise. Parce que, vous savez, il y a le problème entre agriculteurs et éleveurs, entre éleveurs euh, euh, sédentaires et éleveurs transhumants. Il y a tous ces problèmes-là qui sont là. Mais si c'est organisé, je pense que ça va bien marcher. Alors, le ministre de l'élevage, euh, ce que nous disons cette année, il n'y a pas beaucoup d'herbes. Il n'y a pas beaucoup de... Ça pose énormément de problèmes. Parce que, euh, d'abord, il y a eu des faux de brousse que, indépendants de notre volonté. Mais l'aliment de bétail est souhaité pour que ça vienne à temps, pour qu'on puisse avoir de l'aliment à tout moment. C'est vrai, l'État a tout fait pour nous. Parce que vous savez, si je prends aujourd'hui euh, hum, le département de Kumpentum, dans les comptes OSB du département, nous sommes à 116 millions. Ça, c'est important. On peut y acheter, acheter des aliments, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours augmenter parce que la transhumance est tellement dense que vraiment, si on achetait aujourd'hui 300, 400, 500 tonnes, c'est pour deux jours, les gens vont tout prendre et après, euh, euh, pour pouvoir euh, aller vers les usines, acheter les aliments là aussi, quelquefois ça pose problème parce que la demande est très forte. Donc, à travers vraiment tout le monde, je remercie le conseil départemental qui a bien voulu initier ce festival, qui a initié également la journée de consultation gratuite pour les animaux. Je remercie également tout le monde, les autorités administratives, en l'occurrence le préfet, les sous-préfets, remercier les maires remercier tout le monde, remercier les élèves qui ont bien voulu répondre en masse pour la journée de consultation gratuite. Merci beaucoup.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 El Hadji Bouna Niang ONG Mandimbo